Il est 18h15 à Niamey. Euh, c'est l'heure du forum du studio Kalangou. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de votre fidélité au programme du studio Kalangou qui sont diffusés en direct par 52 radios partenaires dans toutes les 8 régions du Niger. Des programmes aussi disponibles sur notre page Facebook Studio Kalangou, notre site internet www.istudiokalangou.org, sur WhatsApp et sur Twitter. Aujourd'hui, le forum du studio Kalangou a pour thème plan de développement économique et social PDS 2022-2026, opportunités et perspectives pour le Niger. Le Conseil des ministres du 10 juin 2022 a adopté le plan de développement économique et social PDS 2022-2026. Le PDS 2022-2026 est la deuxième déclinaison quinquennale de la stratégie de développement durable et de croissance inclusive Niger 2035. Il opérationnalise la déclaration de politique générale du gouvernement et vise à concrétiser les engagements du président de la République contenus dans le programme de Renaissance Acte 3 selon un article publié sur le site du ministère des Finances. Le PDS 2022-2026 s'articule autour de trois axes stratégiques, à savoir le développement du capital humain, l'inclusion et la solidarité, la consolidation de la gouvernance, de la paix et de la solidarité, la transformation structurelle de l'économie. Avec donc nos invités, nous allons chercher à comprendre à travers une analyse de ces données les défis, les opportunités les perspectives et les obstacles pour une meilleure réussite du programme de développement économique et social PDS 2022-2026. Pour ce faire, nous avons le plaisir de recevoir dans ce studio à Sama Maman, secrétaire général adjoint du ministère du Plan. Sama bonsoir. Bonsoir. Son Allah Dambaji, acteur de la société civile, Son Allah Dambaji, vous avez également participé à la table ronde de Paris. Son Allah euh, Dambaji, bonsoir. Bonsoir. Issoufou Adamou, il est vice-président de l'association nigérienne des jeunes entrepreneurs. Issoufou Adamou, bonsoir. Bonsoir. À la modération, je suis Mokhtar Hamadou. On va commencer avec vous, monsieur le secrétaire général adjoint du ministère du Plan, Samamaman. Quelles sont les réponses aux défis majeurs du Niger en matière de développement Merci beaucoup, euh, monsieur Hamadou. Je voudrais d'abord euh, vous présenter les salutations du docteur euh, Rabi Abdou. Merci, le Ministre du Plan. Et vous remercier pour cette invitation, pour cette opportunité voilà, que euh, vous donnez au ministère euh, du Plan, vraiment pour, euh, pour présenter voilà, aux Nigériens, aux concitoyens, le contenu du plan du développement économique et social. Et comme vous l'avez indiqué, les, opportunités qui, vraiment qu'il offre aux populations nigériennes. Alors, je voudrais dans un premier temps, peut-être faire un petit rappel du processus qui a conduit à la formulation du PDS. Comme vous l'avez bien indiqué, euh, le Conseil des ministres, euh, en sa session du 10 juin 2022, a adopté euh, ce PDS 2022-2026, qui est la deuxième déclinaison effectivement de la stratégie de développement durable et, de croissance inclusive SDDI Niger 2035, après le PDS 2017-2021. Alors la particularité euh, de cette édition, si j'ai pu m'exprimer ainsi, le, PDS 2022 euh, voilà, cette deuxième déclinaison, euh, c'est que c'est une approche vraiment totalement participative et inclusive qui a été adoptée pour sa formulation. Inclusive, ça veut dire que toutes les composantes. toutes les composantes, ont été franchement, tous les acteurs ont été impliqués mais surtout, surtout, euh, les collectivités territoriales. Et c'est vraiment une des innovations de ces, de ces PDS, parce que les diagnostics a été élaboré de façon vraiment ascendante. C'est-à-dire que nous avons recueilli vraiment euh, toutes les préoccupations au niveau des régions, depuis les collectivités territoriales, donc depuis les communes en passant par les, par les régions, nous avons eu ces contributions. Et ce sont ces contributions qui nous ont permis de dresser un diagnostic vraiment de, la situation socio-économique euh, du pays. À partir euh, de cela, donc les autorités, maintenant en réponse justement à ces défis, à ces préoccupations, ont élaboré un certain nombre de stratégies qui ont effectivement conduit justement à, la formulation, à la définition des trois axes stratégiques euh, dont vous avez euh, évoqué tout à l'heure. Donc voilà un peu, euh, en tout cas, c'est le contexte de formulation donc, du PDS. Le, les diagnostics, oui. Le, PDS a été formulé pour répondre aux défis actuels du développement au Niger. Quels sont ces défis-là, monsieur le secrétaire général adjoint Alors, les, défis, ils sont nombreux, et, sont nombreux et, multiformes. Comme dans tous les pays pauvres dans, Bon. Euh, dans, tous les pays en développement, <laughs> je <laughs> dirais. Alors, le premier grand défi, vous savez, c'est euh, le développement, c'est la formation c'est la formation, c'est le capital humain. Euh, les ressources humaines de les ressources humaines de qualité, c'est vraiment le premier gros défi. Si vous voulez faire vraiment un développement, euh, avoir de l'emploi de qualité, du personnel, de la main-d'œuvre de qualité, il faut avoir un personnel vraiment en bonne santé, bien formé, euh, avec, qui a accès en tout cas aux services sociaux de base, c'est-à-dire l'éducation, la santé, l'hydraulique, etc. Donc ça, c'est vraiment le les premiers gros défi. Les, les euh, grand défi, c'est les, les, défis de la sécurité euh, alimentaire. Il faut que nous sortons vraiment de ces cycles. Les, aléas, climatiques. Il faut, qu'on puisse, il, faut que, faut que nous mettons en place une agriculture qui soit beaucoup, beaucoup moins dépendante justement de ces aléas climatiques. Donc ça, c'est vraiment le deuxième euh, gros défi, et tous ces défis devraient en tout cas être abordés dans un espace quand même où il y a une bonne gouvernance, parce qu'il faut améliorer la gouvernance, euh, sécuriser donc, euh, les pays. Donc voilà, en tout cas, c'est vraiment le, gros défi vraiment auquel en tout cas ce pays est confronté voilà, à ces, qui a... Tous ces gros défis ont été pris en compte dans le PDS 2022-2026 ah, Absolument, absolument, absolument. C'est ces gros défis. Si vous, si vous regardez la structure du PDS, c'est en réponse de ce manque à ces gros défis que les axes stratégiques ont été définis. Monsieur Maman, quelles sont à présent les opportunités de développement dont le Niger en parallèle avec euh, le PDS 2022-2026 les opportunités, elles sont, elles sont très nombreuses. Mhm. Elles sont très nombreuses. Euh, d'abord dans le domaine euh, agricole, nous avons mis euh, en place dans l'axe numéro 3, vous avez dit transformation structurelle mhm. de, l'économie, parce que il y a vraiment une miche, il y a beaucoup de, de, marge vraiment pour accélérer la transformation structurelle de l'économie à travers surtout les développements de, chaînes de valeur. Voilà, vous avez la chaîne de valeur riz, vous avez euh, la l'arachide, vous avez les nibés, vous avez les moringa, vous avez la filière euh, bétail, euh, viande cuir et peau et lait. Donc, euh, ça c'est dans un premier temps, ça de la transformation du monde, du monde rural. Alors, de l'autre côté, vous avez au niveau, il faut aller vers une industrialisation. D'accord Donc, déjà, toute la production agricole qui va être euh, augmentée grâce vraiment à un certain nombre de, réformes, hein, des programmes euh, très concrets qui, vont être mis en place. Il faut qu'on aille vers la transformation de cette économie à travers vraiment des industries agroalimentaires. Et le PDS fait vraiment la part belle vraiment à la transformation, à l'industrialisation de l'économie euh, nigérienne. Alors vous avez dans les secteurs euh, des mines et de, l'industrie du pétrole, vous avez euh, la construction d'un oléoduc, voilà, qui est long de, près de 1982 km, qui va relier le Niger au Bénin et dans la construction est à un niveau très avancé. Je pense que hier même, je suivais à la télé. Le ministre euh, du Pétrole qui a fait euh, une visite. A il, a fait, une visite à cette réalisation. Merci beaucoup, monsieur le SG. Issoufou Adamou, de l'Association nigérienne des jeunes entrepreneurs. Le Niger est-il une terre d'opportunité en matière euh, de développement alors, merci de m'avoir d'abord invité sur ce plateau. Je vais un peu rebondir sur ce qu'il a dit et y a un adage qui dit Qui aime bien châtie bien. Alors, euh, on parle beaucoup euh, de faiblesses, moi particulièrement, des, actions menées, c'est pour qu'on puisse les corriger. C'est pas pour faire mal. Non, ça veut dire qu'il y a des obstacles. Exactement. Alors, quand on parle de développement, quand on parle d'industrialisation, il y a des choses qu'il faut voir en amont. Quand on parle de gros investissements, quand on parle d'investissement, il y a des choses qu'il faut voir en amont. La bonne gouvernance, on sent que de plus en plus, l'État est en train de mettre euh, les moyens qu'il faut. À travers la lutte contre la corruption. exactement, pour que les choses s'améliorent de plus en plus. Mais cela n'est pas suffisant. Encore Oui, cela n'est pas suffisant dans le... Alors, quand vous demandez à une structure de venir investir dans un pays comme le Niger, ok, la première des choses n'importe quel financier qui va venir investir dans un pays, la première question, c'est la garantie. La garantie en termes de sécurité financière Exactement. Alors, quand on parle de bonne gouvernance, euh, de climat, d'opportunité, c'est bien tout ça. De la liberté aussi de la presse. Tout ça, c'est bien. Mais quand je mets mon argent, je le récupère comment Et au cas où j'arrive pas à le récupérer, quelle est la garantie que vous me donnez Alors, ça, c'est des points sur lesquels euh, nous devons travailler premièrement. Deuxièmement, je pense qu'il faut revoir le processus de PPP. La loi PPP, elle est, lourde. C'est quoi PPP PPP, c'est le partenariat public-privé. Alors, donc, euh, ce forum, justement, qui vient d'avoir lieu, c'est justement pour pour ce genre de partenariat-là entre le, Business from euh, Union européenne Niger. Niger, exactement. Alors, donc, la loi PPP, elle est lourde au Niger. La, cette loi vous dit, alors, quand un investisseur veut venir investir dans un domaine précis, il, euh, il prend attache avec euh, le ministère qui devient le co-contractant du domaine où il va investir. Ce co-contractant-là qui écrit simultanément à l'AMPIPS et au ministère des Finances. L'AMPIPS, c'est l'Agence nationale euh, de la promotion des investissements au Niger mhm. et au ministère des Finances. Alors, l'AMPIPS va faire ce qu'on appelle l'étude de faisabilité va étudier l'étude de faisabilité déjà faite par le partenaire. Alors, pour cela, on prend un mois. Alors, c'est déjà trop pour vous. C'est excessif. Pour juste lire une page et puis nous dire si c'est adapté au Niger ou pas. En une journée, on peut le lire. C'est Ce qu'on appelle l'odeur administrative. Exactement. Alors, euh, de l'autre côté, il faut écrire en même temps, simultanément, comme je disais à l'AMPIPS et puis au ministère des Finances. Le ministère des Finances, il faut 13 personnes qui vont se réunir pour former un comité pour lire une partie du projet, pour vous dire que ce projet-là est soutenu et payé par sur budget de l'État ou par les usagers ou non, c'est un BOT, c'est euh, un Build of transfer, c'est-à-dire euh, que ce soit l'investisseur qui, euh, qui finance, qui préfinance et qui, se, qui utilise et se fait payer. Il faut que 13 personnes se réunissent pour le faire. Et c'est ces deux avis-là qu'il faut ensuite envoyer à la primature pour avoir une non-objection. C'est en ce moment-là qu'on rentre en négociation. Ce process sur les documents doit prendre 3-4 mois. Déjà même, c'est beaucoup. Sur la pratique, dans la pratique, ce process prend une année à deux ans. C'est énorme. Pour celui qui veut investir réellement, qui a son argent légalement gagné, ne va pas attendre une année pour investir son argent, alors que à côté ici, il a, il a rapidement. Quand on va sur le plan de, de avoir euh, bénéficié du code des investissements, alors l'État là, bas aussi, l'État a un mois pour vous répondre. C'est énorme un mois, alors que on prend un pays comme le Rwanda, on l'a en 24 heures. En 24 heures. 24 heures. Vous prenez pour la constitution de la société. C'est vrai que pour les constitutions de la société, aujourd'hui, nous avons un peu amélioré ça aussi, ça reste théorique. Sur la pratique, c'est pas pareil. est-ce que votre association, l'association nigérienne des gens entrepreneurs, a été impliquée dans l'élaboration et la mise en œuvre du PDS 2022-2026 Alors, euh, nous avons surtout été euh, approchés pour la table ronde et ensuite pour le forum, mais pas pour la mise en œuvre. Pour la mise en œuvre, nous n'avons pas réellement participé. Nous avons eu le document, comme tout le monde, et euh, nous avons participé à la table ronde. Ce que moi, je trouve justement, là où je veux en venir, c'est que pour moi, la table ronde, tout ce qu'on est en train de faire justement, on est encore en train de perdre du temps. On a un programme, on a un pays. On va... Selon vous, les choses n'avancent pas vite Pas du tout. Alors, je vais vous donner, euh, je vais parler un peu du, voilà, du paradoxe de Lucas, qui, euh, je ne sais pas si, vous, connaissez le paradoxe de Lucas. Justement, c'est que la, il faut expliquer, en, Afrique, En Afrique, justement, euh, nous avons la main d'œuvre, nous avons les ressources naturelles. C'est les deux points clés pour évoluer, mais ça n'avance pas. Alors, donc, il y a un système qui est mis en place derrière tout ça pour justement faire cette balance là. Alors donc je pense que le problème est beaucoup plus profond. Tout ce qu'on dit, c'est bien beau, mais tout ça, on a fait euh, la table ronde à qui, à mon avis, devrait se faire déjà ici. Parce que le partenaire qui investit doit venir sur le terrain tâter le terrain. Parce que, comme l'a dit la dernière fois le ministre Rissa lors du forum, euh, il y a des choses qu'on ne peut pas écrire. Alors, quand on vient au Niger, le Nigérien est serviable. Le Nigérien est bon de nature, généralement. Vous, alors, vous parlez de l'hospitalité. De l'hospitalité. Euh, alors, donc ce genre de choses, ce n'est pas les genres de choses qu'on peut mettre sur un document, qu'un investisseur peut rester chez lui et comprendre. Alors, il faut qu'il vienne sur le terrain pour le vivre, pour le comprendre. Alors, nous avons aussi de l'autre côté le poids des médias. Ce que les médias disent à ces étrangers-là, de l'autre côté, c'est d'une extrême gravité. Les médias étrangers Exactement, étrangers, justement. Euh, le Niger est euh, un pays à éviter quand on va, moi, je suis dans le domaine des investissements, c'est vraiment, ça fait 12 ans que je le fais, et euh, ils ont de plus en plus peur de venir au Niger parce que ce qu'on leur dit là-bas, c'est d'une extrême gravité, comme je le disais tantôt. Donc je pense que on devrait sauter toutes ces étapes-là. On devrait faire euh, ce forum, le premier forum, la table ronde devrait se faire ici parce que tous les bailleurs de fonds que nous sommes allés rencontrer en France, ils sont tous pratiquement tous représentés au Niger. Donc pourquoi on a besoin d'aller de trimballer tous nos investisseurs Les euh, bailleurs. Voilà, pas, pas, les bailleurs. Alors nous avons tout, le système privé, tout le secteur privé nigérien prendre pour aller en France pour discuter avec euh, la là-bas de la BOAD. Euh, alors moi je vois pas d'intérêt. Je pense qu'on a perdu du temps déjà. Alors pour ensuite faire ce forum qui, à mon avis, à la fin, il devrait y avoir un comité de suivi. Parce que jusqu'à présent, qu'est-ce qui va se passer On va changer des cartes de visite, on va partir, chacun va prendre sa route ça s'arrête encore là. Merci beaucoup Issoufou Adamou euh, de l'association nigérienne des jeunes entrepreneurs. Euh, son Allah Dambaji, vous êtes acteur de la société civile, vous avez participé à la table ronde de Paris. Euh, sur les 19 500 milliards de francs CFA nécessaires pour la mise en œuvre du PDS, e l'État du Niger mobilisera 8, 8 757 milliards, les partenaires techniques et financiers 6 742,3 milliards et le secteur privé 3 928,3 milliards, a expliqué le ministre du Plan devant le président de la République. Euh, que peut-on retenir au sujet de cette déclaration du ministre du Plan Merci Mokhtar. Euh, euh, nous remercions le studio Klangou de l'opportunité que vous nous offrez effectivement de, parler du PDS, qui est un référentiel du Niger pour son développement, dont il faut le dire, et on l'assume, qu'on a participé euh, pleinement du début jusqu'à la fin et dont le diagnostic a été fait avec nous. je rappelle aussi que euh, j'étais acteur du premier PDS, <clears throat> du deuxième PDS et du troisième PDS. Et je vous avoue, en réalité, euh, nous disons haut et fort ce que nous constatons et nous disons haut et fort ce qui est bon et ce qui est mauvais. Ce qu'il faut retenir avant de répondre, rebondir à votre question, parce que ça relève d'un devoir moral pour nous en tant qu'acteurs, parce que nous étions nombreux, les structures de la société civile qui ont été. Devoir moral, ça veut dire que vous devez suivre. Suivre, effectivement, et dire à la population en réalité qu'est-ce qu'il y a au fond et qu'est-ce qui a été fait et qu'est-ce qui reste à faire. Allez-y. Et qu'est-ce qui a été fait euh, Ce que ce PDS, il faut le reconnaître, en réalité, c'est un PDS, je ne reviens pas sur le mot du secrétaire général, c'est un mhm. PDS qui a été inclusif. C'est une vérité. Toutes les composantes. les, deux premiers PDS. Tous les acteurs. Les deux premiers PDS, je le rappelle bien, les deux premiers PDS, ils n'ont pas eu la participation des autorités, des collectivités à un niveau très bas. Ah. Contrairement à ce PDS. Et ça fait partie euh, des, recommandations, des diagnostics de, l'autre PDS qui a permis à ce que l'élaboration du nouveau PDS inclut l'ensemble des collectivités pour qu'ils y participent. Et ça, c'est une vérité. Nous l'assumons parce que nous l'avions participé, nous avons participé avec toutes les responsables de ces, tous ces responsables de, collectivités. Mieux, nous avons constaté que ce PDS a, des données. Elle s'est fiée sur des données vraiment statistiques, réelles sur le terrain et que euh, à, la table ronde, effectivement, jusqu'à l'élaboration et le peaufinage du document, on était parti à la table ronde. Donc, on sait très bien que euh, le Niger cherchait 10, euh, et quelques milliards d'euros et le Niger a eu 22 et quelques. Ah, donc, c'est déjà donc, Ça fait près de 150% de la réussite de la table ronde, si on peut l'appeler ainsi. des annonces. Des annonces, effectivement. j'ai dit de la table ronde, hmm. oui. Parce que la trabande en tant que telle, c'est des annonces, ce sont des annonces. Ce ne sont pas de l'argent qu'on met dans les valises pour amener au Niger. Et ça dépend. Et c'est là où je veux en venir peut-être. Euh, pour que les gens comprennent, en réalité, les annonces ne sont pas synonymes que le Niger a eu de l'argent. Ça dépend de la préfiscalité et de, du savoir-faire de notre ah. administration pour, débloquer. pouvoir consommer le crédit qui a été ah. C'est important. C'est important, vraiment. C'est important parce que euh, tout ce qui a failli dans les précédents euh, euh, PDS, je vous dis, c'est de la mise en œuvre. Parce que la mobilisation n'était pas au rendez-vous après les annonces. Issoufou Mamadou, à son temps, a décrit le manque de consommation de, crédit. Notre administration a ce problème. La consommation des La consommation des crédits. Et j'ai vu que ce PDS a fait place, une place importante à ce combat. Je parle à la présence du SGA du ministère. Ce que nous savons très bien que euh, ce, PDS, en tout cas, ça ne fait pas 48 heures qu'ils ont fait une réunion, une première réunion, pour en ce qui concerne la première, euh, euh, le premier plan si on peut l'appeler, ou la première stratégie. Donc ça veut dire qu'il y a eu, y a eu du temps perdu selon vous J'arrive, ne me coupez pas. En réalité, ah, je sais ce que je suis en train de dire. Et que par rapport à ça, il faut qu'on dise à chacun sa responsabilité par rapport à, l'évolution de cette affaire, euh, Parce que le problème, c'est le problème en réalité de nous-mêmes. Les bailleurs de fonds, il t'a dit, il a eu à te dire un certain nombre des, insuffisances qui sont liées à nous-mêmes. À l'administration nigérienne. Si je dis à nous-mêmes, c'est à l'administration nigérienne. Et l'administration nigérienne, à travers aussi cette administration qui doit être compétitive et réactive, surtout réactive. Parce que le problème qui se pose, les uns et les autres, à un moment, ils croyaient que le PDS, en réalité, c'est juste euh, un, truc d'annonce. On vient et, et, on fait une utilisation politique et politicienne à la matière. Et le reste, dans tous les cas, on aura de quoi dire quand on sera devant les électeurs. Or, c'est lui qui fait ces annonces quand il va investir au Niger, mais ce n'est pas à, cause des beaux yeux des Nigériens et autres. C'est conditionné. Ah, c'est important. C'est important, il faut le savoir. Et il ne vient pas investir parce qu'il aime les Nigériens. Il vient investir pour qu'il ait aussi des bénéfices. Et quand dans le processus, il constate l'engagement qu'il a eu à prendre et que de l'autre côté, c'est qu'on lui a brandi comme engagement officiel, on tâtonne pour pouvoir le régler, mais je vous dis qu'elle va désister. Il va désister. Et c'est ce qui, parfois, et par, de temps à autre, par rapport aux autres PDS, ça a causé des problèmes. Et ça a vraiment fait perdre au Niger beaucoup de milliards. Et aujourd'hui, même la, fois passée à la réunion, je l'ai dit devant le SG, que regardez le PDS en tant que tel, il a un dispositif de mise en œuvre qui sont les comités sectoriels et autres, qui ne demandent rien. Ce n'est pas de l'argent qu'ils demandent, c'est des actes administratifs pour le faire et le mettre en place. Mais jusqu'à preuve de contrat, ça n'a pas été fait. Ça n'a pas été fait. Et ça, je pense bien que ça fait des choses que nous dénonçons. Pas pour faire nuire à quelqu'un, mais pour qu'il puisse se rattraper très vite, pour que le Niger ne perde pas ce qu'elle a eu comme promesse. Merci beaucoup à tous. On a faire une courte pause. Sama Maman, secrétaire général adjoint du ministère euh, du Plan, euh, monsieur le SGA, euh, quelles sont les dispositions prises par le gouvernement nigérien à travers votre ministère, le ministère du Plan, pour la mise en œuvre et une meilleure réussite du PDS 2022-2026 Merci beaucoup, monsieur Amadou. Bon, ça me donne l'occasion de revenir vraiment pour, sur les interventions justement de mes frères. Alors, euh, nous avons pris euh, bonne note, d'accord, des différentes. Euh, La lourdeur administrative Non, des différentes observations d'abord qui sont faites ah par, Issoufou Adamou. Et, mais, mais tout cela, c'est des dispositions qui sont en train d'être prises vraiment pour accélérer. Pour alléger. Déjà, c'est que nous pouvons déjà nous réjouir du fait que il y a une agence de la promotion des investissements privés et stratégiques qui est déjà mise en place. Qu'il y ait quelques petites lenteurs, mais tout ça là, c'est des choses qui peuvent être, qui peuvent être corrigées. Déjà, vraiment, on s'est réjouit. Auparavant, par exemple, au niveau des PPP, hmm. vous avez peut-être beaucoup plus de difficultés. Mais maintenant, on a dit, bon, voilà une agence vraiment qui est dédiée à ça. Voilà. Donc, euh, laissons cette agence déjà très bien s'installer euh, prendre sa visite, sa, visite, Ça existe, depuis, euh, plusieurs années. Hein. Oui, mais <laughs> ma lampe, euh, ça, t'inquiète, ça de rénover. Mm. Alors, vous savez, la table ronde de Paris, je ne veux pas revenir pourquoi on a organisé à mm. Paris. Ce qu'il faut noter, c'est que ça a été une réussite de la vie, je pense, de tout le monde. Mm-hmm. Voilà. Et à cette table ronde, nous avons voulu vraiment impliquer tout le monde, même lors de la formulation j'ai bien dit que c'était une approche inclusive. La Chambre de commerce, toutes les organisations patronales voilà, ont été impliquées. Maintenant, elle revient à ces structures, à ces fédérations, c'est-à-dire de désigner qui les représente aux différentes. C'est ce qui a été fait. Mais j'ai dit bien, vraiment, je maintiens que la formulation, comme vraiment l'a, bien indiqué, euh, son Allah. Allah, elle a été vraiment inclusive. Ça, voilà. Alors, la lenteur administrative euh, dont parlait euh, Issouf Adamou. et puis euh, M. Euh, nous avons effectivement tenu une première, une réunion dans le cadre du lancement de l'élaboration du rapport de mise en œuvre du PDS au titre de l'année 2022. Donc, à cette occasion, effectivement que cette question a été, a été soulevée. je pense que nous avons apporté euh, des réponses. La table ronde a été organisée euh, le, 5 et, le 5 et 6, décembre. Et, qu'est-ce que nous avons indiqué Effectivement, déjà le dispositif institutionnel définit en réalité ces différentes euh, structures, les différents organes. Et le dispositif institutionnel a été mis en place le 22 juin 2022, euh, c'est par euh, décret pris en conseil des ministre. Les arrêtés qu'il fallait prendre pour opérationnaliser ces, différents organismes, euh, organes de coordination, il fallait vraiment prendre, comme nous avons dit, le recul honnêtement nécessaire pour voir, pour bien définir, très bien définir les cahiers des charges, parce qu'il ne fallait pas encore répéter les mêmes erreurs qu'il y a eu par le passé. Donc il fallait prendre vraiment beaucoup de recul pour très bien définir vraiment les, euh, les cahiers de charges et voir aussi si des structures vraiment qui sont quand même euh, concernées, qui sont très pertinentes, donc n'ont pas été oubliées vraiment dans la liste des structures qui devaient participer à l'ensemble des choses. Par exemple, pour, les, pour qui concernent les organes au niveau des régions, nous avons voulu associer encore davantage bien qu'il a eu des ateliers, c'est-à-dire de validation, mais nous avons voulu, avant de les finaliser, associer encore les régions, vraiment pour qu'on repasse en revue, qu'on soit sûr que c'est vraiment des organes qui, peuvent, qui vont bien fonctionner au niveau des, au niveau des régions. Voilà, c'est vraiment ça qui explique un peu la lenteur peut-être qui a été observée, mais pour nous, ce n'est pas une, ce n'est pas une lenteur. Comme j'ai indiqué, tous les textes actuellement ils sont vraiment euh, bien formulés. Nous avons les dernières, les versions finales. Il ne reste qu'à être vraiment euh, signé par les autorités compétentes. Merci beaucoup, monsieur le SG adjoint du ministère du Plan, monsieur le SG euh, adjoint, si vous me le permettez. Niamey a abrité le 7-8 février 2023 un business forum de l'Union européenne. le Niger peut-il se développer à travers l'organisation de tels forums mais je réponds tout de suite euh, par oui, par la formative. Voilà, c'est ce que ce nous faut. Alors, ce forum fait suite à la table ronde. Vous savez, c'est ah, parce que qu'à la table ronde, nous avons la table ronde était composée de deux événements. Il y a la table ronde proprement dite, mais il y avait un forum des investisseurs, un forum vraiment au cours desquels les différentes communications, voilà, euh, euh, du chef de l'État lui-même le chefs de l'État était là au forum des investisseurs. Il était là pendant vraiment toute la durée de la table ronde et a dû convaincre vraiment tous les investisseurs de la situation d'abord même sécuritaire au niveau du Niger, des opportunités d'investissement. Et c'est ce qui a fait, en tout cas euh, en partie, la réussite aussi de ces forums, que ces investisseurs-là, ils se sont déplacés massivement Niger. Pour venir au Niger parce qu'on les a rassurés depuis eh, là-bas là où nous avons tenu la table ronde. À, Paris. Voilà. Merci beaucoup, monsieur le SGA du ministère euh, du Plan. Issoufou Adamou, la jeunesse euh, nigérienne est-elle suffisamment impliquée dans l'élaboration et la mise en œuvre euh, de ce P2S, P2S 2022-2026 je vais quand même revenir un peu sur tout ce qu'on a dit. Ah, alors, vous savez, le Niger, c'est le pays le plus jeune au monde aujourd'hui. Hmm. Alors, je pense que et l'État l'a compris. Dans tout ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui, la, jeunesse est impliquée. Donc, euh, c'est un point fort. Comme il l'a dit, il faut le dire quand il y a des points forts. Le point fort, il faut le dire. Alors, ils sont de plus en plus en train de prendre euh, compte de cela et en train de tenir, euh, en train de de faire en sorte que ces jeunes-là puissent s'impliquer le maximum possible dans toutes les décisions. Alors, il y avait quelques années, euh, les lois de finances, on le faisait et puis on nous disait, voilà ce qu'il fallait faire. Il fallait le faire, c'est tout. Mais maintenant, euh, lors de l'élaboration, par exemple, de la loi de finances, euh, la jeunesse a été impliquée, les entrepreneurs ont été impliqués, qui donnent leur avis parce que c'est eux qui vont subir. Alors, donc, c'est ce que je disais tout à l'heure. L'élan est là, l'élan est lancé vraiment. Euh, on sent qu'il y a une volonté derrière pour le faire. Mais comme il l'a dit, euh, on a encore quelques petits problèmes. Justement, lors du forum, il euh, y avait un panel où il y avait quoi 13, 12 personnes. Un panel de 12 personnes où on vous dit que vous avez 45 minutes. Alors, comment est-ce que vous voulez que les gens puissent vraiment parler les gens ne peuvent pas réellement euh, dire ce qu'ils le font de leur pensée. Et c'est le même problème que je vous dis à chaque fois que je passe sur ce plateau, je vous dis, le temps est court. Il faut donner aux gens le temps de pouvoir vraiment développer les idées. C'est comme ça qu'on trouve des solutions. Ah, alors, on n'a pas suffisamment de temps. Il se fout. quelles sont concrètement, vous, en tant que jeune, quelles sont concrètement vos attentes alors, nous, nous, notre attente, justement... Au sujet du, PDS. Hein. C'est clair. Vous savez, le PDS, comme il a dit, le PDS est vraiment on ne peut pas dire que c'est parfait, mais c'est vraiment presque parfait. Sérieusement. Mais le problème qu'on a, c'est dans la mise en œuvre. Dans la mise en œuvre, c'est vraiment ça qu'il faut revoir. Et il faut aussi tenir compte de l'échiquier mondial aujourd'hui. Les cartes sont en train d'être redistribuées. Il faut tenir compte de cela et il faut prendre ça, euh, il faut profiter de cela pour rediscuter et renégocier les termes OK, parce que euh, je ne veux pas trop rentrer en profondeur, comme vous dites, on n'a pas le temps. Mais vous savez, je, vais toujours rebondir sur ce problème de monnaie et sur ce problème de limitation de dette. Monnaie, monnaie, euh, la monnaie, la monnaie. Le, franc CFA. Alors le franc, le franc CFA, la monnaie que nous utilisons aujourd'hui ne euh, nous permet pas de faire de très gros investissements. Ça ne nous permet pas de prendre de ça nous limite la dette. Alors, si on ne nous permet pas de nous endetter, je ne pense pas qu'on va pouvoir investir parce que ceux qui nous aident vont nous aider pour faire le minimum. Oui, mais est-ce que, est que les taux d'intérêt au niveau des banques euh, ne constitue en lui-même un obstacle euh, pour euh, les investissements alors, vous savez, au, niveau de la jeunesse. Il y, a quelque chose que j'aime bien dire. Vous savez, eh, les banques, c'est des institutions privées. Alors, c'est des gens qui ont mis leur capital. L'État a aussi un œil regardant sur euh, ces institutions financières. Que, que, que l'État ait son œil à regarder ou pas. Alors, c'est des capitaux privés. C'est des gens qui ont mis leur argent pour faire une banque, pour faire des bénéfices. Le taux de bancarisation au Niger est dans les 6%. Alors, comment est-ce que vous voulez que ces banques-là, qui ne prennent pas d'argent, les gens ne déposent pas leur argent à la banque, comment est-ce qu'ils peuvent donner à des taux minimums Alors, si la BCAO elle-même, les taux de la BCAO d'abord sont élevés, donc c'est logique que pour les banques aussi soit élevé, ça va de soi. Mais euh, le problème, c'est pas vraiment ça. Quand je parle de monnaie, je parle de monnaie pour l'État, pas pour les personnes. Alors, si l'État arrive à corriger pour lui, ça va de soi, ça va suivre. Alors, si on a la maîtrise de notre monnaie, on peut prendre des dettes. Parce qu'en économie, comme, comme, je disais la dernière fois, euh, la dette vient en addition. La dette vient en plus de ce qu'on a, pas euh, comme en comptabilité où la dette euh, va en soustraction de ce qu'on a. Alors, en économie, justement, la dette vient en plus. Donc, il faut qu'on puisse s'endetter parce que c'est cette dette-là qui va faire en sorte de générer des bénéfices que nous, nous allons utiliser pour faire des investissements ou pour développer notre pays. Monsieur le SGA a pris bonne note. Merci beaucoup. Son le Niger euh, peut-il se développer avec des acteurs de la société civile et sa jeunesse actuelle Mais si vous parlez de euh, des acteurs de la société civile, euh, la société civile, en réalité, c'est un tout. Il ne faut pas concevoir la société civile comme juste euh, les différentes organisations qui, de défense des droits de l'homme ou des, des entrepreneurs ou quelque chose que ce soit. Vous-même, en tant que journaliste, votre métier confère la responsabilité d'un acteur de la société civile. Donc la société civile, en réalité, c'est une citoyenneté un engagement, citoyen. un engagement citoyen à la matière et je suis convaincu que c'est tous les Nigériens sont sincères de leur engagement ah, citoyen. Ah, c'est ça. S'ils sont sincères de leur engagement citoyen, je vous avoue que le Niger va s'en sortir dans cette euh, situation. Aujourd'hui, mieux, quand je rebondis sur euh, euh, l'appréciation de notre frère, Issoufou Adamou. par rapport à la monnaie, Soufou, je pense bien que euh, quand on parle de la monnaie aujourd'hui, ça devient. Le de, ça devient de la géopolitique et de la géoéconomie. Et aujourd'hui, nous savons très bien, même le fait qu'on est en train d'indexer notre pays, que c'est un pays euh, qui n'est pas tout à fait euh, fiable en matière d'investissement, on sait très bien comment ça a été concocté, comment ça a été organisé. Et tout ça, là, c'est dans le sens de nous empêcher de nous mouvoir économiquement. Donc, c'est des situations extrêmement. qui, qui demandent l'objectivité et la sincérité des uns et des autres et de se dire que c'est un devoir moral par rapport à ça. Donc le premier qui doit être, c'est les autorités qui sont à la charge de la République. Parce que c'est ça le problème. Même si la grande majorité essaie de, de, créer les conditions pour que le Niger tire son impègle du jeu, si ceux qui tirent, en réalité, ceux qui tirent le devant, ils ne sont pas de la même conviction, vous aurez des difficultés à pouvoir le faire. Pour ne pas déranger ou du moins s'écarter de notre sujet qui est le, concernant le PDS, la situation du Niger, je pense bien que si ce qui a été fait dans ce PDS, ce document du PDS à l'heure actuelle, et que le Niger, tout acteur, de près ou de loin, qu'il soit, qu'il soit responsable pour impulser, si tout un chacun sera sincère, je vous avoue que le Niger va tirer son impègre du jeu dans les quatre ans-là. Euh, C'est ça le problème. quel avenir pour la jeunesse nigérienne L'avenir pour la jeunesse du Nigérien, nigérienne, je vous dis qu'aujourd'hui, dans le contexte actuel, moi, je maintiens toujours au PDS, mais des point de vue général, l'avenir de la jeunesse nigérienne est sombre. <laughs> Il est sombre. Imaginez dans un pays. Euh, euh, pourquoi, pourquoi, selon vous, C'est sombre parce qu'aujourd'hui, cette jeunesse, Heureusement que le PDS, je vous dis que sans parler du PDS, parce que cette, jeunesse, elle a été prise en compte dans ce PDS. Hein. les jeunes et la femme, leurs préoccupations étaient prises en charge. Mais le problème, j'ai dit que c'est sombre parce que dans la pratique, ce n'est pas ce qui se passe. Aujourd'hui, je me trouve mal à l'aise de constater aujourd'hui dans le contexte actuel. Un vieux qui a déjà ses 60 ans, qui doit aller se reposer, a des petits-fils qui ont fini ses études supérieures. Qui attendent. Qui attendent pour qu'ils donnent le mieux qu'ils puissent donner à leur pays. La vivacité. Non, non, non. Ils s'assoient et, le, créent les conditions à ce qu'ils continuent aussi à être et laisser les petits-enfants à la maison. Ça, c'est l'un des actes, les des actes le plus Nous Vous faites allusion à, la récente, à, la récente décision d'augmenter l'âge d'aller à la retraite. C'est clair. Et aujourd'hui, nous savons très bien le pourquoi. Nous le savons. Nous savons c'est toujours cette géopolitique. Parce qu'on leur fait comprendre en réalité que c'est une jeunesse qui est ici, qui est alors que chez eux, ils n'ont pas cette chance. Leur population, leur population n'est pas jeune. C'est une population vieillissante. Et ils comprennent en réalité que si on laisse cette jeunesse se mouvoir dans nos pays, je vous garantis que si on est citoyen et on crée la citoyenneté dans notre sang, c'est eux qui vont venir envers nous et nous, et non nous qui vont aller vers eux. Sont la, quels sont les efforts ou la contribution de la société civile pour faire avancer les choses au Niger En tout cas, c'est notre contribution, c'est ce que nous sommes en train de faire. C'est de dire en réalité ce qui est bon et de, dire ce qui n'est pas bon pour qu'on puisse corriger. Même si du reste, nous savons très bien que. Mais est-ce que vous êtes écouté ici au Niger Nous savons très bien qu'on est écouté, mais ils ont des problèmes à mettre en place parce que ne, pensez pas ce que nous parlons, ce que nous disons là. Ça leur dit absolument rien. Non, ça les dérange. Ça les dérange même s'ils font semblant qu'ils ne font pas, parce qu'ils ont d'autres maîtres de conscience à la matière, dont on le sait, sait très bien, qui les empêchent de le mouvoir. Nous le savons très bien. Et parfois, nous les comprenons. Hein. Nous les comprenons, mais, dans le sens. est-ce qu'au Niger, la société civile fait des efforts pour que le Niger se développe, pour que le Niger Je vous garantis, si la société civile ne fait pas des efforts, le Niger n'allait pas être aujourd'hui ce qu'il est. Aujourd'hui, c'est la société civile qui fait le combat pour les responsabilités de la société. Il y a d'autres qui et les responsabilités. Il y a ah, le contraire. S'il vous plaît, s'il vous plaît, ça ne manque pas. Aujourd'hui, la société civile, elle fait des actions citoyennes et elle fait des actions même de des dénonciations qui est une action révolue à l'opposition politique, qui est absente. Ah, selon vous, l'opposition ne fait pas son travail Non, elle ne fait pas son travail. Même tout de suite, j'ai accordé une interview à la matière. On ne demandait pas à, l'opposition de venir brûler ou bien d'attaquer qui que ce soit. Mais de dénoncer. Mais dénoncer. C'est son devoir constitutionnel. Et si elle ne fait pas ça, elle a trahi. Parce que demain, elle ne peut pas sortir dire que ceux qui gouvernent ont mal fait. Elle est complice. C'est de ça qu'il s'agit. Merci beaucoup, Soal Dambadji. Issoufa Damou, rapidement. rapidement. Alors, alors moi, moi ce, sur quoi je voulais, je voulais revenir, c'est que vous savez, aujourd'hui, avec la mondialisation, nos États malgré les problèmes, les problématiques que vous avez dit, l'État connaît les problèmes. Alors, ils ont peut-être certaines... Euh, euh, ils ne peuvent pas prendre certaines décisions. Alors, aujourd'hui, nous avons des experts, nous avons euh, des experts qui peuvent aider, qui peuvent accompagner nos États à prendre ce genre de décision. Si aujourd'hui nous ne pouvons pas changer la monnaie, mais nous avons les moyens de contourner les problèmes qu'ils ont mis, les barrières qu'ils ont mis. Nous avons les moyens de les, de les contourner. Mais déjà, il faut le savoir, et il faut l'accepter, il faut aller vers. Il faut déjà que l'État accepte cela. D'accompagner. Exact, d'aller vers, de, de, de, prendre des experts qui peuvent les aider à contourner cette problématique. Parce qu'il y a des barrières qui nous ont été mises que nous, nous ne pouvons pas. C'est comme il a dit, même si on parle, même s'ils ils veulent, ils ne peuvent pas aller au-delà parce qu'ils ont d'autres contraintes que nous, nous ne connaissons peut-être pas. Merci beaucoup, M. Fouadamou. Monsieur le SGA euh, du ministère du Plan, voilà. Euh, Sama Mahaman. merci euh, beaucoup. Quels sont vos conseils, recommandations pour une meilleure réussite du programme de développement économique et social PDS 2022-2026 Merci beaucoup, Monsieur M. Amour. Rapidement. Mais, permettez-moi quand même de corriger allez rapidement. Mon ami euh, a indiqué les taux euh, d'intérêt à la BCAO pendant pratiquement les deux dernières années étaient de 2%. Donc on ne peut pas quand même dire que les taux à la BCAO sont très élevés. Les taux, 2%. Deux ans, c'est deux, dernières années. Non, non, non, non. Les taux à la BCAO n'ont jamais été même de 3%. C'est autour de 2 à 2,50% le taux, le taux directeur de la, banque, de la banque centrale. Le, problème au niveau des bon, ça peut se situer mm. au niveau des banques, mais les banques aussi, ce n'est pas peut-être le lieu de faire le rôle, euh, les débats sur le rôle de la monnaie. Ça, il y aura euh, un mais le problème, c'est la qualité des dossiers. Le problème numéro un, c'est la qualité, c'est la qualité des dossiers ah. qui sont présentés aussi aux banques pour améliorer, ce que je dire seulement, pour améliorer, pour améliorer le financement de l'économie, il y a un certain nombre, si vous lisez dans les PDS, il y a un certain nombre de dispositions, de mise en place quand même de, fonds. Je vais parler par exemple les fonds de développement euh, de l'inclusion pour l'inclusion financière, vraiment qui devrait venir, euh, il y a les euh, FONAP, qui, qui devrait euh, vraiment soutenir les, PME. Donc il y a tout un dispositif, les jeunes, il y a tout un dispositif qui a été mis en place vraiment pour améliorer les financements des entreprises. Mais de l'autre côté, il faut améliorer la qualité des, dossiers. Alors, par rapport à l'avenir des jeunes, je ne vais pas revenir sur euh, <laughs> mon ami, mais moi j'ai dit que les perspectives sont très bonnes. par rapport à ce que vraiment le PDS a prévu vraiment comme, euh, comme, comme orientation stratégique. Il, a, il a dit ça, il a dit ça. Il a dit voilà, ça. voilà, c'est ça. La mise en oui, tout à fait. Mais la, mise en œuvre, nous, non, nous voudrions vous rassurer que au niveau du ministère euh, du plan, On vraiment les dispositions, en tout cas, ont été prises vraiment pour assurer une bonne mise en œuvre. Rien que par merci beaucoup à on merci, beaucoup. Merci beaucoup à tous. Nous sommes au thème de ce forum du studio Kalangou. Nous avons eu le plaisir de recevoir euh, Sama Maman, secrétaire général adjoint du ministère du plan, Son Allah Dambaji, acteur de l'association civile euh, nigérienne, et Issoufou Adamou, vice-président de l'association nigérienne des jeunes entrepreneurs. Euh, merci à nos invités et à vous tous euh, pour votre fidélité au programme du studio Kalangou qui vous parvient grâce à nos 52 radios partenaires. Merci, au revoir.